Monsieur le Président. Monsieur le ministre je Liu, du mes collègues députés di nous aussi les militants et militantes du Parti démocratique sénégalais et nga famille qui a Monsieur le ministre je commencer samay cadre de rendre un vibrant hommage à un homme maître Abdoulaye Wade qui s'est battu pendant 26 ans pour la démocratie pour les libertés pour l'état de droit tey bëri na acquis démocratique yu ñu am fii ci biir Sénégal le président Abdoulaye Wade moo ko xeex ba am ko et président Abdoulaye Wade moom moo jur ki nga xam ne moo nekk Karim Meïssa Wade moo tax dañ ne gaynde du jur monsieur le ministre Karim Meïssa Wade est un homme digne monsieur le ministre Antoine Félix Dion, Karim Wade ndaanaan monsieur le ministre après la perte du pouvoir en 2012 on nous a traqués et Karim Maïsawad a fait trois ans et demi de prison pour rëbës tout le ko tout le ko ak ngor monde dignité monsieur le ministre vous avez été le substitut du procureur lan moo Kani, le temps c'est le meilleur juge et que suñu borom kenn Moi, je que le président Macky Sall le dialogue national c'est au sein de votre ministère vous en tant que ministre de l'intérieur et ancien substitut du procureur, fallait nous acter la révision de l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui avait condamné Karim Maïssa Wade. Nous avons dit que nous avons li nga projet de loi est c'est pour supprimer la de bi nga xam ni moo nous Karim monsieur le ministre je salue la patience le courage la bravoure la détermination et la dignité de Karim Maïssa Wade pour faire face et clamer haut et fort son innocence bi ñu Karim lan que bëgg dafa ne ñaanuma saraxuma lenn laa bëgg mooy nañu ma àttewaat nañu réviser sama procès nañu ma wan que ni li ñu ma dara à ci monsieur le ministre Karim Maïssa Wade c'est pour cela qu'il mérite d'être le cinquième président de la République du Sénégal en 2024 parce que ngor fulla jom gi nekk ci baayam yépp dafa nekk ci moom monsieur le ministre c'est lolu après sa condamnation en 2015 nous est en 2018 Modifié le code électoral en li nga article L57 bi nga et c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à un magistrat un grand magistrat intègre le juge Yaya Amadou Dia qui avait démissionné ci li nga parce qu'en 2018 il avait écrit écrit euh, ku dem ci internet bi pour dire que ni pour montrer bi ñu article L57 nan la Karim Wade pourquoi il était éligible ci li nga xamni en 2019 et il pro et ci li waxam joj dafa am lu doon wax la compétition pour l'élection du président de la République est un moment important dans la vie d'une nation elle cristallise tous les enjeux le processus électoral est cependant encadré par le droit sa finalité, c'est d'assurer l'ordre, la stabilité, la paix, la justice. Nous nekk loo xam ne lu am solo le juge Amadou Yaya Dia wax pour pour wan ñëpp que ni Karim Meïssa Wade était éligible mais Karim Meïssa Wade en 2019 nous génnee ko ci li nga xam ne moo l'élection. ci euh, euh, ci élection yi mu dem di sur le plan international 14 décisions de justice yoo favorables favorable à Karim Maïsawad, Wade ba bërki Bibo Bourgi amaat ndam ci li nga xam donc Karim Maïsawad, Wade c'est moom les militants du parti démocratique sénégalais vous avez le meilleur candidat vous avez le meilleur profil Karim Wade c'est un fédérateur Karim Wade il est poli Karim Wade si kat la monsieur le ministre le pays est divisé la cohésion sociale est menacée il nous faut un rassembleur il nous faut un fédérateur ku boolewaat xel yi ku doolewaat li nga xam ne moo nekk sénégalais ñu mën a bokk te loolu mënuñu koo gis ci lu dul ki nga xam ne moo nekk Karim Meïssa Wade moo tax may wax les militants du PDS préparez-vous incha allah bientôt Karim sera là ñu dem teeri ji ko et incha allah bi nga xam ne moo nekk le 3 avril mu def passation ak ki nga xam ne moo nekk le président Macky Sall mu bàyyi ko réew mi nguur gi nag yàlla suñu borom moo koy joxe ku mu ko jox moom lay nekk même bu yàlla waxee que ni ki nga xam ne mooy suñu président Amadou Mame Diop futur candidat Benno lay nekk sax loo tey mënu ci dara donc maa ngi leen di nuyu di leen gërëm yéen ñëpp merci beaucoup